le forum du le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum le forum le 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radios partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, Bouza, Tamaské, Mainesoroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel, Saï. Et depuis hier, 1er euh, août, euh, ce réseau s'est étendu aux auditeurs de Tanout, Madawa, Dakoro, Doganduki, Walam, euh, Kwarategi dans, la commune de, de la capitale, soit un total de 26 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré aux 57 ans hein, de l'indépendance de la République euh, du Niger, euh, dont l'anniversaire sera célébré demain jeudi 3 août. Le Niger indépendant, quel apport euh, du 1960 à 2017 pour le peuple C'est la question centrale autour de laquelle nous focalisons la réflexion au cours de ce forum de 45 minutes. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons des aspects positifs et négatifs, s'il en existe, dans le processus de l'indépendance. Ensuite, dans la seconde partie, nous verrons l'impact de cette indépendance sur la population, ses richesses et dans la conduite des affaires de l'État. Et dans la troisième partie, nos invités proposeront deux voies à suivre pour rectifier le tir en vue du développement socio-économique du Niger. Avec nous ce soir pour développer ce vaste sujet, Madame Ben Agnès Fatouma, présidente du Maillon africain pour la paix et le développement à MAPADEV. Madame Ben Agnès Fatouma, bonsoir. Bonsoir. Tahiru Jimba, homme politique, président du modèle Maekata, un parti non affilié. Tahiru Jimba, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également professeur Issoufou Yahya, politologue, historien, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Professeur Issoufou Yahya, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le Niger, c'est un rappel, obtient l'indépendance le 3 août 1960 après avoir manifesté le désir d'exercer tous les pouvoirs. À la tête de l'État et du gouvernement, Yori Hamani devient devenu donc président du Niger le 11 novembre 1960. Les élus favorisent le libéralisme pour le développement du pays dont l'économie au moment de l'indépendance est surtout axée sur l'agriculture et l'élevage. Le Niger, qui comptait 2,5 millions d'habitants en 1960, sera reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Chers invités, faute de temps suffisant, nous irons à l'essentiel tout en faisant très succinctement des petits rappels historiques. Madame Benbello Agnès Fatouma, vous aviez eu la chance de vivre l'accession du Niger à l'indépendance le 3 août 1960. Dites-nous euh, ce que cela signifiait pour vous ou comment euh, cela est-il perçu dans votre famille ou votre entourage. Merci. Euh, en août, euh, au mois d'août 1960, j'étais encore étudiante, donc je n'étais pas au Niger. Mais ce qui est sûr, c'est que au moment de ces indépendances, c'est toute l'Afrique francophone qui était heureuse, qui était en effervescence de voir enfin les pays accéder à l'indépendance. Et, là, il y a, je crois, une lecture différente de la compréhension de ce mot indépendance. Parce que, en fait, c'était quoi cette indépendance C'était simplement une accession à la souveraineté internationale avec un hymne, avec un drapeau et avec un siège aux Nations Unies. Très peu d'Africains ont anticipé, ont vu globalement ce qu'impliquait cette indépendance. Et pour ça, il faut se rappeler un peu euh, le voyage du général de Gaulle en, Guinée, le passage du général de Gaulle en Guinée et son fameux euh, l'indépendance, vous voulez l'indépendance, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. C'est donc dans cette euphorie un peu que les pays ont accédé à l'indépendance. Nous étions étudiants, donc membres de la Ce que nous, on réclamait, c'était l'indépendance immédiate et sans condition. Donc on était heureux de ce point de vue-là. Au niveau des familles, les familles qui ont milité pour l'indépendance, elles sont connues. Elles sont connues à travers les, les deux grands partis, enfin le Sawaba et puis euh, le RDA. Donc, euh, il y a d'autres partis qui existaient, mais qui étaient moins proéminents dans cette question d'accession à l'indépendance. Je, je m'arrêterai là pour le moment. Nous allons vers euh, Vous êtes un euh, homme politique euh, nigérien, vous êtes le président du modèle Maïkata. Comment les Nigériens avaient accueilli le discours annonçant l'indépendance du Niger Je vous remercie. Contrairement donc à la, à la tante euh, euh, Bembello, moi également j'étais à l'école, mais moi j'étais à l'école primaire. Moi, je suis rentré à l'école en octobre 59. Bon, j'ai vécu dans ma tendre enfance euh, les péripéties du Soaba RDA jusqu'à cette indépendance. Donc je suis rentré à l'école au moment où les, conseillers ou même les, enseignants étaient euh, souvent des expatriés ou en tout cas le conseil pédagogique est toujours un Européen. Donc j'ai connu cette époque-là. Euh, ceci dit, euh, l'indépendance, tout le monde l'a très bien accueilli. On sait qu'on a fêté, on était jeunes, 7-8 ans, mais on a, ou 9 ans, on a fêté. Mais, comme elle l'a dit, on n'a pas beaucoup, les gens n'ont pas beaucoup pris conscience de ce qui nous arrivait réellement. En réalité, euh, à mon sens, euh, cette indépendance nous a été octroyée. Et c'est différent de C'est l'ancien Couture qui l'a pris. C'est différent d'un Algérien qui l'a aussi arraché. Ce qui fait que la nôtre, en réalité, c'est une indépendance entre guillemets. Entre guillemets, ça veut dire, Président Mais Ça veut dire que euh, les 14 pays francophones, ou peut-être 16 ou 17, je ne sais plus comment ils sont, combien, en tout cas au moins il y a au moins 14 qui sont de la zone franc aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas indépendants. En fait, c'est vrai qu'on a un drapeau, on a, a l'hymne national, il y a des ambassadeurs, qui, représentent leur, leur pays ici, par-ci, par-là. Mais notre indépendance. Donc, selon vous, les indépendances politiques n'ont pas été suivies d'indépendance économique Absolument, c'est flagrant. C'est flagrant quand un pays euh, euh, ne sait pas euh, à quel taux on tire la monnaie qu'il gère, quand un pays n'a aucun tissu industriel, quoique ceux qui ont démarré l'indépendance, le régime Guri, ils ont laissé en partant des industries, en tout cas des embryons, au moins 79, entre 70 à 79 euh, sociétés d'État, souvent des petites, des mini-industries, parce que vous ne pouvez pas penser avoir, être souverain, être euh, parler dans le Conseil des Nations, dans l'état dans lequel on nous a octroyé cette indépendance. C'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, nous sommes comme des grands enfants. Nos, devises, nos devises de tout ce que nous produisons sont, sont stockées quelque part, gérées par quelqu'un, qui est le trésor français. Et si ça n'a pas d'avantage, <laughs> il y a pour rien le monde, 24 heures suivantes, ils allaient nous décrocher. Malgré qu'eux, ils ont Trouver la nécessité de créer l'euro, vous avez bien vu, on nous a gardé dans un système bancal. Donc, ce qui fait que, bon, euh, on est heureux d'être indépendant, mais on est aussi triste de l'évolution de notre indépendance. Euh, professeur Issoufou Yahya, euh, pourquoi nos pays aspiraient à l'indépendance et qu'est-ce qui expliquerait, qui expliquait l'acceptation de la France à accorder cette indépendance à ses colonies euh, merci. Je ne sais pas si je suis la bonne personne ici pour répondre à cette question. Euh, mes aînés qui ont parlé des indépendances ont fait parler leur cœur avec beaucoup de nostalgie. Euh, c'était une période importante dans l'histoire de, tout peuple. avoir ou se dire indépendant, ça veut dire qu'on était dépendant. Mais dans la réalité, on est toujours dépendant. Alors, qu'est-ce qui a motivé la France et d'une manière générale les pays euh, européens C'est qu'il faut se mettre en tête que euh, pendant presque 600 ans, l'Europe a dominé le monde. Elle a colonisé toutes les régions du monde. Et que, chemin faisant, à un certain moment de l'histoire, donc au tournant de 1913, elle a connu des difficultés. Et avec la Première Guerre mondiale, elle n'était plus le véritable acteur du jeu mondial. Donc elle-même, elle était devenue un sujet de la science internationale au point où ce sont les, les autres qui décident pour elle, chez elle et ailleurs. Donc de plus en plus, la position euh, des Occidentaux, en particulier la France, n'était plus tenable de maintenir dans son giron des peuples dont certains sont venus l'aider et qui, comme elle a été libérée, comme elle l'a été aussi durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la position ne se tenait plus. Il fallait maintenant changer de fusil d'épaule. Dans la réalité, la France a donné de manière formelle une indépendance, c'est qu'elle a donné de la main droite, elle l'a repris par la main, par la main gauche. Donc, on dit vous êtes indépendant, mais les attributs de l'indépendance ne vous ont jamais été euh, donnés. Quels sont les, ces attributs-là, docteur, euh, professeur Alors, euh, euh, le président Tahir Gimba a parlé de grands enfants. Non, ce n'est même pas de grands, c'est encore de petits enfants aujourd'hui les Africains. il faut retourner dans le temps au, Code noir, qui fait de, l'esclave un bien meuble. C'est-à-dire que le meuble vous appartient. Eh bien, pendant la colonisation, euh, le, sujet, eh bien, il appartient à, au maître. Donc, pendant longtemps, euh, l'Africain n'a, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, depuis toujours, par rapport aux relations entre euh, l'Afrique francophone et la France, c'est les uns qui décident pour les autres et pour eux-mêmes. Donc, si l'indépendance devrait être réelle, elle devrait être économique, elle devrait être sur le plan des relations internationales, donc de la diplomatie, on n'est pas libre de, décider pour nous-mêmes. Sur le plan de la défense, en 2017 encore, il faut que les Européens, les Français viennent euh, nous faire la guerre. On est resté enfant dans notre tête. On est resté colonisé dans notre tête. On a refusé de grandir. On a refusé de prendre notre destin en main. Et euh, mes aînés ont parlé avec nostalgie, c'est que encore mieux vaut cette période des années 60 que peut-être c'est la période dans laquelle où on est. Les instituteurs de l'époque avaient beaucoup plus de mérite que les pauvres ingénieurs qui dirigent notre pays aujourd'hui on va en parler, on va revenir par rapport à, l'aspect euh, académique. Euh, Madame Benbello, euh, Agnès Fatouma, quels sont les aspects positifs de l'indépendance, particulièrement pour l'amélioration des conditions de la femme Oh <laughs> Je crois que cette question d'indépendance la condition de la femme est inséparable de la condition de l'Africain dans sa société. Et moi, je crois que, et pour, en se plaçant dans cette perspective, on est acteur. Et alors, je crois que la question est de savoir qu'est-ce qui a fonctionné pour les hommes et les femmes dans les sociétés africaines et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et il faut essayer de passer en revue un peu. Euh, il y a deux ou trois ans, euh, il y a eu une espèce de, de célébration des 50 ans d'indépendance des pays africains d'Afrique de l'Ouest. Et vous savez, la condition de la femme, pour être brève et répondre d'abord à votre question, les femmes ont milité hein, pour porter, pour amener les pays à l'indépendance. Les femmes ont milité, et les Nigériennes en particulier. Moi, j'étais petite, je sais, j'ai vu ma mère qui militait avec des femmes leaders, les Magajatani, Tani, Adiza, je ne sais pas, tout ça. Elles ont fait, elles ont joué leur part de la partition. Elles ont rassemblé. Elles ont fait le travail qu'il y a à faire. Euh, je, crois que je ne serai pas excessive, en disant qu'il y avait pas mal de fils concernant les informations qu'il fallait donner euh, aux militants, aux partisans, les gens qui se battaient, qui étaient pratiquement dans un maquis pour euh, se battre pour l'indépendance. Donc en termes de participation au changement social, les femmes étaient là. Ce n'était pas une affaire d'arrangement, de bon vouloir d'un groupe politique pour être juste, pour faire bonne figure. Non, elles étaient actives. Elles étaient actives au Niger comme elles étaient actives au Mali, comme elles étaient actives en Guinée, comme elles étaient actives au Sénégal. Je suis bien placé pour le dire parce que ma famille a été assez euh, concernés dans ces activités-là. Euh, vous voulez parler de... Si on veut comparer le temps, <laughs> le temps de la... les femmes étaient actives en 1960, mais malgré tout... Avant 60. Avant 60, mais malgré tout, jusqu'à présent, en 2017, elles continuent euh, de réclamer le quota, plus de places pour les femmes. C'est justement euh, c'est pour ça que je, je vous disais qu'il fallait demander pourquoi on en est là. Il faut demander aux femmes ce qu'elles ont fait et comment elles se débrouillent. Pourquoi elles se battent alors, pourquoi, elles se battent et elles ont ce pourquoi peut-être ce pourquoi elles se battent. Les conditions ont changé de toutes les façons et on ne peut pas attendre que l'on vous donne quelque chose. Ah, le monsieur le professeur peut le faire un petit euh, flashback pour voir l'histoire des changements sociaux que on ne donne pas quelque chose. Lui-même, d'ailleurs, en parlant tout à l'heure, euh, euh <laughs> se, plaint. Il disait que nous, nous nous plaignons, mais lui, chemin faisant aussi, il s'est plaint en disant que euh, on, on a refusé de nous donner. Et ça, si on a refusé de nous donner, ce n'est pas aux femmes seulement qu'on a refusé de donner on a refusé de donner aux hommes et aux femmes. Seulement, la portion du gâteau est devenue congrue. C'est la lutte euh, pour les, miettes. Et dans cette lutte pour les miettes, les femmes se sont retrouvées dans, une position mineure. Est-ce que c'est à cause du poids de la religion Non, la religion, il faut laisser la religion en dehors de ces choses-là. La religion vous trouve avec vos idées. Vous pouvez prendre tous les textes religieux, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, quel que soit le texte religieux que vous prenez, le texte religieux n'a jamais encouragé les dérives inhumaines qui sont infligées aux femmes au nom de la religion. Pour ma part, je ne suis pas du tout en faveur d'une telle approche. Ce sont les, les êtres humains qui ont falsifié en fonction de leur force, parce qu'ils constituent une force sociale. À tort ou à raison, ils ont fait passer certaines idées comme étant des croyances. Et c'est le problème qui se, euh, qui se déploie à l'échelle du monde avec euh, les questions, les problèmes posés par les États islamiques qui tuent, qui rançonnent, qui, qui font tout ce que je ne suis pas sûr que le Coran a jamais dit qu'il fallait faire. Donc la question des femmes, les femmes, elles sont religieuses, elles pratiquent leur religion très bien. Maintenant, la question de la construction nationale, c'est un autre débat. Ou bien, tout le monde est d'accord que la nation est pour tout le monde et que chacun a sa partition à jouer, homme, femme, vieillard ou jeune. À ce moment-là, on regarde ce que chacun peut apporter et chacun se bat pour acquérir les outils qu'il faut pour conduire sa lutte et réussir cette lutte. On va aller vers le euh, euh, président Tahiru Gimba, président du modèle Maekata, un parti non affilé. quels sont, selon vous, les aspects significatifs de l'indépendance pour le Niger de 1960 à nos jours Je vous remercie. Euh, pour ne pas encore se redire, euh, des aspects significatifs. Simplement, aujourd'hui, je peux circuler avec euh, une carte d'identité, un passeport. Euh, c'est peut-être ça le, côté positif, soit disant que je suis nigérien, mais je ne suis pas différent du Sénégalais. Je ne suis pas différent du Togolais, du, du, du, Burkinabé. Nous sommes tous en liberté provisoire, en quelque sorte, puisque, comme l'a dit le professeur, les, choses essentielles qui font d'un État un État, un vrai. Pas un État sous préfecture, hein. un État, un État. Un, État sous préfecture, ça veut dire quoi concrètement Maintenant, c'est des sous-préfectures, des préfectures qu'on a maintenant. Ce n'est plus, c'est pas un État comme vous l'entendez, hein. puisque tout c'est de ailleurs. Vous n'avez pas la décision de vos projets et de développement. Vous n'avez pas la décision même sur votre défense et votre sécurité. Vous n'avez pas la décision sur la monnaie, vous n'avez pas la décision sur votre... C'est rien du tout. Même vos, ressources minières de sous-sol, vous ne décidez pas de la date de, leur, euh, exploitation ou même de leur commercialisation, à fortiori de l'encaissement. Même vos importations doivent être autorisées. Même ce que vous consommez, que vous importez, doit passer par une autorisation que vous ne voyez pas mais elle, existe. Mm-hmm. Il faut déposer un certain taux en, en, devise ou en, malgré, en valeur, malgré d'or, quelque chose comme ça, c'est le trésor français, pour pouvoir importer, euh, euh, euh, lancer par exemple 150 milliards de riz dont on a besoin en supplément alors qu'on peut le faire au bord du fleuve. Malgré tout, mais tout ça, il nous faut des autorisations. Mais, mais vous ne le voyez pas. Malgré tout, Monsieur le Président, il y a quand même des aspects significatifs. Moi, euh, euh, écoutez, euh, je ne suis pas pessimiste de nature, mais je me suis dit que c'est maintenant que nous devrons, parce que il reste encore sur Terre certains de nos tantes, certains de nos oncles comme Mme Bembello. Et il est grand temps, il y a des jeunes professeurs comme lui. Et c'est maintenant, pas demain. Il ne faut pas attendre qu'on ait encore 60 ans de plus. Non. Donc, selon vous, il n'est pas encore tard. Non, on peut tout redresser, on peut tout récupérer. Quand quelqu'un me parle, euh, j'entends toujours des débats sur la zone franc, sur ceci, sur cela. Mais on n'a aucune liberté, aucune, absolument aucune. Je vous ai dit que euh, c'est bien d'être indépendant sur les papiers. Tout le monde a chanté. On... Écoutez, le feu général Senkunche a arrêté la musique quand il est arrivé. Le 3 août, il a dit <laughs> écoutez, <laughs> Ce n'est pas une indépendance, mais il faut aller planter des arbres pour sauver, pour arrêter l'avancée du désert. Et ça, c'est pertinent. Est-ce que vous voyez Parce qu'à l'époque, euh, après les années 60, les 18 décembre là, mais c'est des caravanes et des caravanes de trois août qui viennent d'Agadez, de Tawa, de chameaux, de chevaux, de cavaliers, de n'importe quoi, qui viennent pour défiler à Niamey euh, pour dire que bon, dans la tête de notre tête, on est indépendant. Et de l'effet, on ne l'est pas. Et quand on a transformé la fête de 3 août en fête de l'arbre, mais c'est un courage qu'il a eu. C'est vrai que ceux qui l'ont précédé, les gorilles, ont fait leur mieux. C'est des instituteurs, mais ils étaient, ils, étaient, ils étaient des braves gens. Ils ont essayé de créer un tissu économique, un tissu industriel minimal. Parce que tu ne peux pas développer un pays sans industrie. Maintenant, même ce que vous portez, ce que moi je porte, ce qu'elle porte, ce que nous portons, personne ne sait où c'est fabriqué. Pourtant, nous avons des terres pour faire du coton. Nous avons, nous avons la possibilité, nous avons des ingénieurs, nous avons tout pour pouvoir nous faire monter des, micro-usines pour transformer nos oignons, pour transformer le coton. On ne cultive plus le coton. Non, on n'en fait plus. L'arachide, on nous a dit que ça donne des cancers. Qu'est-ce qui ne donne pas le cancer Qui sait d'où il donne le cancer Donc, vous voyez, chaque jour, nous sommes moi, j'avais dit des grands enfants. Et le professeur a bien rectifié, il a bien dit de dire que nous ne sommes vraiment pas des grands enfants. Et vraiment, c'est avec peine. C'est-à-dire que au lieu de perdre son temps, même nos élections, écoutez, moi j'étais candidat à la dernière présidentielle, 2016, mais même nos élections, nous sommes incapables de les organiser correctement. Il faut toujours tendre la main à quelqu'un. Il faut toujours attendre que quelqu'un te finance tes élections. Où est l'indépendance Quand tu attends que les élections de ton pays qui doit mettre tes institutions en place, que c'est quelqu'un d'autre, un bailleur X bailleur de fonds, alors que tu as des ressources naturelles, non, j'ai dit que euh, euh, rien n'est réglé. Et vraiment, c'est maintenant qu'il faut aller engager, puisque maintenant nous avons des ressources humaines qualifiées maintenant. On ne peut plus dire, nos aînés là, nos papas, les Gyori et autres là, ils ont fait de leur mieux. Ils étaient dans un, cercle très très fermé d'insulteurs, mais ils ont fait de leur mieux. Mais nous, au-delà de la date d'aujourd'hui, nos professeurs agrégés, nos, nos docteurs, nos médecins, nos ingénieurs, ils fréquentent les mêmes écoles que ces anciens, colons, que les enfants des anciens, colons. Donc nous sommes nantis des mêmes diplômes, des mêmes capacités intellectuelles. Pourquoi ne pas essayer Prenez les pays, les ex-colonies anglaises, euh, anglo-saxonnes. Mais ils sont plus libres que nous. Parce qu'eux, ils ont l'initiative. Ils évaluent leur ils produisent. Ils savent que c'est au bout de la production qu'on peut faire un, État. Mais la chance, nous, qu'on a au Niger, la seule chance, mais le colon, ça l'a surpris, l'ancienne puissance coloniale, c'est que nous sommes métissés. Tous les Nigériens sont des Nigériens. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que quand tu vas de Ayeru à Gingimi ou de Gaïa à Ifirouane, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas le sang de l'autre. Nous avons un gain important. Et ce qui fait que l'historien peut, en parler lui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, nous les Nigériens, je n'ai pas dit notre État de la Souris, mais nous, nous pouvons décider de la marche, la marche à suivre et comment sortir notre pays de cette mauvaise passe. En dehors de tout discours démagogique, il faut revenir simplement sur terre. Nous avons la capacité, nous avons les ressources humaines qu'il faut aujourd'hui pour dire tiens, écoutez les Français, nous restons des amis avec vous. Nous parlons votre langue comme langue officielle. Mais à côté là, nous allons développer notre pays. Mais on ne peut pas le faire toujours en exportant que des matières premières brutes sans valeur ajoutée. On ne peut pas le faire sans avoir le contrôle de la monnaie. On ne peut pas le faire sans avoir le contrôle de notre défense, de notre territoire, même s'il est vaste. Nous avons la capacité nous avons les hommes, nous avons la capacité, les ressources humaines qu'il faut aujourd'hui pour faire du Niger autre chose que ce qu'il est. Professeur Issoufou Yahya, en tant qu'universitaire spécialisé sur, euh, ces questions, avec euh, le recul dont parlait M. Monsieur Tahirou Gimba, président du Modène Maïkata, euh, qu'est-ce que l'indépendance a apporté de bon pour le Niger et qui mérite qu'on en parle Alors, vous savez, en 2003, euh, l'Assemblée nationale française, un groupe de députés qui a tenté de faire passer une loi qui parlerait des bienfaits de la colonisation. Et ce sont les universitaires français eux-mêmes qui sont soulevés contre cette loi. Euh, euh, L'Afrique a été colonisée, mais avant la colonisation, elle a connu tous les mots qui puissent exister sur cette terre. L'esclavage, la terre négrière, la colonisation, ça ne laisse pas euh, la, personne euh, euh, indifférente. Et donc, toute cette déstructuration, elle a été renforcée par cette politique du, général de Gaulle, qui a eu un régime sur mesure, celui de la cinquième République française, et où il a vu les intérêts, rien que les intérêts de la France. Euh, coloniser quelqu'un, ce n'est pas aller se mettre à sa place, mais se le mettre à votre disposition. Les Français euh, ne sont pas à notre disposition, nous sommes encore à leur disposition. Et ce qui est pire, qu'on ne voit pas, c'est que à partir de la création du france CFA, c'est une double colonisation. Parce que quand la France a été occupée par l'Allemagne, elle, elle parle d'occupation, elle ne parle pas de colonisation, c'est une colonisation. Quand elle a été libérée par nos parents ou nos grands-parents, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris les mécanismes de la colonisation allemande de cette occupation, à savoir faire du marque 4 francs à de l'époque. Et donc, siphonner l'économie euh, de la France, c'est ce que l'Allemagne a fait. Eh bien, en dépit de tout ce que la France a fait, cette déstructuration profonde de toutes ces sociétés africaines, eh bien, elle les a renforcées. Ah, on aime bien écouter aujourd'hui encore le matin RFI. C'est un instrument de cette colonisation. Vous, vous, voulez bien où nos dirigeants, les petits ingénieurs, aiment bien prendre Air France, première classe. Ce sont des instruments de cette colonisation qui survivent encore. Si les États africains, en particulier le Niger, a voulu une autonomie. C'est que à un certain moment, qu'est-ce qui était bon pour le Niger On a attendu, on parle aujourd'hui de chemin de fer. On est, le, problème au Niger, c'est dans la tête. C'est-à-dire que quand vous avez euh, un père de famille faire ce que son petit-fils ou son enfant doit faire, c'est qu'il y a un problème. Quand dans l'attribution des responsabilités, vous avez une négation même au niveau des institutions. C'est un problème. Alors, moi, c'est mon point de vue, c'est que, euh, comme ça a été dit, il n'est pas tard. Mais avec qui Parce que euh, tout ce à quoi on a assisté a abouti à un certain nombre de limites. Et aujourd'hui, comme l'a dit le président Gimba, même ce que vous avez, vous n'êtes pas libre de le vendre. Il faut que on vous dise quand est-ce que vous allez le vendre À qui vous allez le vendre Et où est l'indépendance Le système éducatif, il est à l'embout. Est-ce qu'il y a une école aujourd'hui Pourtant, vous prenez les pays comme euh, euh, l'Inde, sitôt qu'ils ont accédé à l'indépendance, ils ont envoyé des centaines de milliers d'étudiants pour connaître, pour être imprégnés de ce savoir occidental. Aujourd'hui, l'Inde est compétitive, elle dépasse presque tous ces pays occidentaux en matière technologique. C'est ce que le Niger n'a pas fait, c'est là où il a raté une grande partie euh, du départ. Maintenant, c'est pas tard pour bien faire. Vous prenez euh, les États-Unis. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un tout petit pays. Comment ils ont fait Ils ont fait leur unité. Aujourd'hui au Niger, les gens ne se parlent même pas. Parce que tout simplement, vous êtes de telle famille politique, je suis au sommet il n'y a pas une véritable prise de conscience pour rassembler les Nigériens et les orienter vers une même direction. Et j'ai terminé par une chose, si vous permettez. Vous partez dans tous ces pays occidentaux. Vous partez en France, il n'y a que la langue française. Vous partez en, en Angleterre, c'est l'anglais. En Allemagne, c'est l'allemand. Ils ont fait leur unité, ont su mettre en place des substrats de développement. Mais ici, vous êtes même les gens sont gênés de parler leur propre langue. Alors que jamais quelqu'un ne s'est développé. Dans la langue d'autrui, dans la monnaie d'autrui, je crois que ce n'est pas tard pour faire. Pour bien faire, on dit qu'il y a une économie euh, en, gestation. J'espère que ceux qui sont en train euh, d'opérer pour euh, l'avènement de cette monnaie, ben, je pense qu'ils vont être courageux parce que tous ceux qui ont tenté d'imposer une autre monnaie, que ce soit des universitaires ou des hommes politiques, ils ont laissé leur peau. Peut-être que ceux-là euh, ont le coup de franche. La deuxième partie de ce forum axée sur l'impact de cette indépendance sur la population, ses richesses et dans la conduite des affaires de l'État. Président Tahirou Gimba, le Niger cherche encore ses marques malgré le poids de l'âge 57 ans d'indépendance. Quel profit le peuple a-t-il tiré de ce processus Disons que le profit est très maigre et très mince parce que euh, je vous dis que je ne suis pas pessimiste de nature, mais il faut être réaliste. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui, on peut dire que bon, le monde a évolué, l'indépendance, on était à 2 millions, maintenant on est à près de 20 millions. C'est déjà pas mal. Mais je vous ai dit, l'impact le, plus positivement, à mon avis, c'est la qualité des ressources humaines qu'on gère mal d'ailleurs qu'on exploite mal, qu'on utilise mal. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les compétents qui tiennent les règnes des postes, que ce soit le privé ou le, public, c'est toujours les recommandés. Donc ceux qui savent euh, cirer les, bottes des chefs, c'est eux. Donc ce n'est pas les compétents qui agissent, c'est plutôt euh, le, courtisan qui est, en, est de la première loge. Et vous ne pouvez pas. Donc c'est ça qui handicape tout de suite, même quand je dis que bon, il y a eu une évolution, certes, puisque les ressources humaines du pays ont évolué mentalement, intellectuellement, tout, tout, tout. On a des cadres qu'il faut. Mais à côté là, au point de vue de la gouvernance, nous sommes au compteur zéro. Nous sommes au compteur zéro, Madame Benbello Agnès Fatouma. À quoi est dû le retard euh, de notre pays ou le retard de la société quand on sait que notre, euh, votre génération était dotée de femmes et d'hommes exemplaires dans leur comportement. Euh, vous tentez-vous de euh, euh, responsable des ratés d'aujourd'hui Nous sommes tous responsables des ratés d'aujourd'hui. Vous sentez-vous nous, sommes tous responsables et à ce titre, je me sens bien entendu responsable parce que c'est une affaire d'abord de vision. C'est une, le changement pour avoir, pour aller au développement, il fallait une vision. Et il fallait aussi une volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui aurait dû se traduire par un certain nombre de décisions et d'actions pour éviter les insuffisances que nous constatons, les dérives que nous constatons et ce qui est un peu pénible, c'est cette espèce de plainte, cette litanie continuelle des Nigériens comme des autres Africains qui cherchent toujours à rendre responsable. Bien sûr, la France, elle a été, on les a colonisés, elle a eu tout, tout, tout, tout et tout. Mais elle n'a pas été quand même, sacré nom de Dieu, le seul pays colonisé au monde. Hein? Il y a les, les Asiatiques qui nous donnent le, plus grand modèle hein, de, d'une action, des résultats d'une action pensée, voulue. Et quand on veut, on se donne les moyens pour pouvoir réaliser ça. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et le prix du beurre. Vous ne pouvez pas aller cirer les bottes de quelqu'un, vous-même, et vous plaindre après qu'on ne vous prenne que pour un cireur de bottes c'est tout. C'est nous, cela dépend de nous-mêmes. Et la responsabilité est collective. La responsabilité est collective. professeur euh, Issoufou Yahya, l'école, dit-on, est la clé du développement. Vous qui êtes enseignant universitaire, euh, qu'est-ce qui explique euh, cette longue maladie de l'école publique nigérienne ah, le problème, c'est que euh, sommet de l'État, je pense qu'il y a une défense, il y a euh, un manque euh, de sens de l'État, parce que le sens de l'État, c'est donner à l'école toute sa place. Euh, tous les pays du monde qui sont développés, c'est grâce à l'école. Et aujourd'hui, l'école ne s'est jamais aussi mal portée qu'aujourd'hui. Pourtant, tous ceux qui dirigent, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aurait pu se, avoir le luxe de faire le privé. Pourtant, euh, l'école publique a, fonctionné, elle a produit, mais ces dernières années, eh bien, euh, l'enseignement est, clochardisé. Il n'est pas euh, fait dans les règles de l'art. Les programmes ne prennent pas en compte nos réalités et, vous savez, c'est une question de souveraineté. Un pays X ne peut pas financer le programme d'un pays euh, B. C'est une question de souveraineté nationale. Il faut que les dirigeants le comprennent. Il faut que euh, l'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut, euh, on, on, parle de combien de classes construites, mais ce n'est pas la classe qui fait l'enseignement. C'est du folklore. On tourne autour du pot, on sait c'est quoi l'école, mais on refuse euh, c'est comme dans le domaine de la santé. Regardez toutes ces infrastructures. Quand l'essentiel ne suit pas, bon, c'est juste pour le, public. Et malheureusement, ces dernières années, on donne tous à, chaque, à chaque chose une apparence de, de, l'égalité, une apparence de profondeur. Regardez le pauvre chemin de fer. C'est juste euh, du décor on reste toujours en surface alors que c'est un problème structurel dont il s'agit. Euh, Président Antairu Gimba, euh, quelles sont les voies à suivre pour euh, rectifier le tir en vue d'un développement socio-économique du Niger Rapidement. Ben, les voies à suivre, elles sont douloureuses. Et les gens, comme l'a dit le professeur et notre tante Madame Bebello, les Chinois, à l'indépendance du Niger, il y a 57 ans, ils étaient plus pauvres que nous. Leur PIB est en, dessous de celui du Niger. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont arrivés à extraire notre pétrole. C'est les Chinois qui raffinent notre pétrole. C'est les Chinois qui prennent de l'argent aux Américains, et aux Français, aux Anglais et aux autres. C'est dû à quoi Le travail. Il faut que chacun accepte de payer le prix qu'il faut, de se sacrifier un temps soit peu pour son pays il faut que les dirigeants arrêtent les investissements de prestige. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand tu fais, c'est pas à toi de dire. C'est l'histoire qui juge. Les historiens sont là. Et vous a parlé de 1913. À 1913, peut-être que même nos parents ne sont pas nés. Mais il vous parle d'une affaire de 1913 parce que c'est écrit. Tout à l'heure, il a parlé d'une affaire de l'évolution de 1913. Donc, il faut que les gens se remettent en cause comme l'a dit euh, notre tante, euh, la responsabilité, elle est collective. Mais le drame, c'est que l'essentiel de ceux qui dirigent les, pays africains, surtout quand on prend le cas du Niger, ils sont formatés ailleurs. Et quand ils sont formatés, ils refusent de voir les réalités locales. On fait du superflu, on survole tout. On survole tout, Monsieur le Président. Euh, Madame Agnès Fatouma, euh, vos propositions moi, je crois qu'il faut situer ce débat-là au niveau mondial. Quelle est la il faut, il faut que le Niger se sente partie intégrante du monde et que le Nigérien puisse se penser citoyen du monde. Et quel rôle à ce moment-là nous envisageons pour notre Niger, pour nous-mêmes quel rôle est-ce que nous devons jouer dans le concert des nations C'est indispensable. Cette vision-là est indispensable. Et à ce moment-là, il faut que nous ayons aussi la volonté politique, comme je l'ai dit, de remettre en cause ce qui doit être remis en cause et d'engager les actions qu'il faut pour une transformation de nos économies et pour une meilleure vie pour les Nigériens. Voilà ce que j'ai à dire. Professeur Issoufia a rapidement, vos propositions Alors, je pense d'abord qu'il euh, faut peut-être constitutionnaliser l'interdiction de la vente euh, de produits non transformés. Un, ça protège tout le monde. Deux, il faut euh, une vision. Il faut un sens de l'État. Et ça commence d'abord avec l'unité entre les Nigériens. Aujourd'hui, les Nigériens sont plus que jamais désunis, euh, peut-être du fait de la politique. La politique, ça ne divise pas, bien au contraire, ça devrait rassembler, rassembler dans le sens où chacun doit voir l'intérêt du pays. Maintenant, euh, il y a beaucoup de, de, clivages. Au sommet, je pense que euh, les gens doivent prendre conscience du fait que nous sommes les derniers. Notre pays est le dernier. Alors, ça devrait leur amener, les amener à faire leur introspection et voir qu'est-ce qui est réellement à la base de cette situation. Euh, c'est triste de le dire, on est dernier c'est triste de le dire, on est dernier professeur. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, professeur Issoufou Yaya, politologue, historien, enseignant-chercheur à l'université Abdou de Niamey. Nous étions également avec Mme euh, madame Benbelo Agnès Fatouma, présidente du maillon africain pour la paix et le développement. Nous étions aussi avec euh, Tahiru Gimba, président du modèle Maïkata, un parti non affilié au Nigeria. Merci à vous tous euh, de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Merci, au revoir.